Nigériens, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, la Covid-19. Omar Eza s'exprime. قصص بيضا في التورنادو تخلاكات كورونا تلي تنغاقي ما انتخلات كورونا تلي يا سلاست اللي كورونا تلي تشيدت ورقة رونا Omar évolue dans une formation ESA, un artiste nigérien vivant à Toulouse. Il a été d'une manière ou d'une autre confiné ici au Niger depuis le mois de mars. Omar est sous l'émission Tous à la Fada sur votre rubrique Covid-19. L'artiste s'exprime pour apporter sa part de contribution vous êtes certainement connecté un peu partout au Niger. Merci pour votre mort de confiance. Merci pour votre fidélité. Omar Reza était à un moment donné à Agadez. Nous allons donc euh, recueillir toutes les informations qu'il faut en ce qui concerne cette région qui a été aussi d'une manière ou d'une autre affectée. Omar Reza, on te souhaite la bienvenue sur la rubrique Covid-19, l'artiste s'exprime. Comment tu vas mon frère Je vais très bien. Et, la, formation Isa Esa va bien. Un album en 2013 oui. Le premier Le premier, le second en 2015. Le second en 2015 Et 2021, bientôt un nouvel album Oui. Super. L'album à quoi déjà S'intitulait à la, au mariage forcé. Au mariage forcé. Aïe, ah, tête, c'est le seul à choisir. Alors, le premier album déjà de cette formation, c'est quoi déjà C'était Abadeya sur l'éducation des enfants et Abadeya sur l'éducation des enfants. le deuxième album Al-Khair sur la paix sur la paix. Parce que sans paix, nous ne serons pas ici. Tu es déjà en blanc et moi, je suis en Wakanda. Il n'y a pas tout, si c'est la paix, tout qu'on fait. Et sur l'émission, euh, n'est-ce pas, tous à la fada, l'artiste s'exprime. Vous avez certainement compris, l'artiste, il est pétri de talent. Ok, d'accord, il est engagé à fond, comme on dit. À un moment donné, il s'est avéré qu'il était à Agadez euh, pendant la grande pandémie. Tu as été confiné à Agadez. Explique-moi un tout petit peu comment est-ce que les choses se sont passées. Les choses se sont passées euh, difficilement parce que c'était le blocage. Mhm. Les gens ne pouvaient pas voyager. Euh, il s'est méfié au marché, il n'y avait plus la coutume qu'on avait, nous, de s'embrasser, de se donner la main, de se saluer aussi longtemps possible chez les Touaregs. Bien sûr. Tout ça avait disparu et moralement, ça faisait quelque chose, mais économiquement, encore surtout euh, plus. mais on, euh, sait que tu as une partie de ta vie à Toulouse, mais explique-moi qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es là depuis le mois de mars Je suis là parce que cette période de pandémie a a éclaté dans le monde, moi j'étais là. Mhm. Et euh, après, j'ai vraiment contribué au respect de gestes barrières. Tu, as continué la sensibilisation J'ai continué la sensibilisation et j'ai continué à me confiner aussi parce que je vais pas m'obliger ou obliger à rentrer, même si j'avais vraiment sur cette période de choses à faire là-bas en France que j'ai laissé tomber et contribué à mener ma part aussi dans le respect des gestes barrières d'où j'ai composé cette chanson Corona. Voilà, on allait en venir. La chanson est sur la Covid-19 qu'on vient à l'instant de kiffer en début d'émission, j'ai beaucoup aimé, mais je voudrais avoir le contenu. Qu'est-ce que tu veux dire hein? Qu'est-ce que tu as déjà dit dans cette chanson dans cette chanson, déjà le refrain de chanson dit Corona Tillé. Ça veut dire Corona existe. Corona existe. Ça veut dire que sincèrement, ça existe. Sincèrement, ça existe. Voilà. C'est ça le refrain. C'est ça le refrain. Et, dans, le texte, qu'est-ce que tu racontes Dans le texte, mon premier couplet, j'ai dit, euh, je j'ai sensibilisé au fait que tout ce qu'on touche, mhm. on se lave les mains. Mhm. Et euh, de respecter la distance. La euh, distanciation. et là, là, on continue à respecter. les... Voilà, qu'on soit au marché ou dans le baptême ou un peu partout. Parce que le virus continue à circuler continuer à circuler. Okay. Et, euh, et, je dis qu'il n'existe aucun remède à part le respect des gestes barrières. Donc on a l'obligation, parce que c'est que la prévention qui peut nous sauver. Les jeunes, surtout les jeunes, est-ce qu'ils ont respecté un peu aussi les gestes barrières Parce qu'on sait que les jeunes se retrouvent autour du thé, à la eh ben, est-ce qu'ils ont tenu compte aussi d'un certain nombre de choses qui a été... Euh, ils ont tenu compte, ils ont contribué parce qu'ils ont accepté le fait de ne plus avoir cette réunion uh-huh. entre amis, de ne plus avoir... Euh, ces moments de joie dans des bars ou dans des bois de nuit. Ils ont juste accepté de vivre cela. Voilà. Pour sauver des vies. Pour sauver des vies et amener leur euh, part de, contribution. Merci, Mr. Omar Eza. Vous êtes toujours sur l'émission. Tout à la fois dans les Gentlemen. Vous savez bien que c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, sur, sur, sur, sur le studio Kalangu. Alors, il faut se dire une chose, mesdames et messieurs. Ok, d'accord, vous êtes connectés depuis Agadez. On peut vous dire oui, ça veut dire bonjour. Hein. Ça veut dire bonjour, n'est-ce pas, oui Oui, oui, ça veut dire bonjour. oui, ça veut dire salut. Salut. Ok, d'accord. Alors on va leur dire salut, on va leur dire oui, oui, ça veut dire salut. Oui. Donc oui, à tous qui kiffent cette émission depuis Agadez. On, on, a un message fort à passer sur l'émission en Tamashek. Et eh bien évidemment, je veux un message pour dire, et eh bien évidemment, à nos amis qui kiffent cette émission un peu partout, en hein, qui parlent le Tamashek, et pour leur dire que le virus continue toujours à circuler, ils n'ont qu'à faire gaffe. Alors tu vas me faire du Tamashek sur l'émission. Don't uh, እንትን shirikatanchin kullin dasaxat nagadim kula corona ile corona arwa datille arwa dagalek adichinid maran dagan nuku adichinid maran daga adaginta tourna là bas cette daga dîner arwa daga kalenda yaka alors on va faire ce cri dis-moi le cri là ça te dit ah hey ça tu, le tu que moi. attends, est-ce que je le fais Parce que en fait, moi, moi, j'ai cassé le matin, toi, t'as pas encore cassé. Ouais, moi, je suis encore à, la Touareg. <laughs> Ah Alors, Omar, on va finir, bien évidemment, avec une chanson de l'artiste sur cette émission. Parce qu'on sait que chez moi, ça me dit coupe-moi carrément le beat. Je voudrais entendre la guitare de moi. Euh, euh, chez moi, c'est une mm-hmm. chanson. En fait, j'ai fait la promotion, bien évidemment, de cette chanson. Je me rappelle très bien. Chez moi, ça veut dire quoi déjà chez moi, c'est une chanson que j'ai composée euh, depuis Toulouse. Mhm. qui veut dire aussi que là-bas j'étais chez moi et ici. C'est chez toi aussi, bien sûr. Ici c'est chez lui, mesdames et messieurs. Eh bien, chez moi je suis là pour aussi eh, combattre d'une manière ou d'une autre, euh, n'est-ce pas, convaincre euh, la Covid parce que déjà, si cette maladie est convaincue d'office, elle est vaincue. Donc nous sommes là. Chez, moi quand je suis ici, chez moi quand je suis là-bas. Ah! Des fois, je me demande c'est chez moi. Chez moi quand je suis ici, chez moi quand je suis là-bas. Chez moi, ça serait là où tu seras. <laughs> là où tu seras. Miss Ovareza! Là où tu Était de la partie! Mustapha a assuré la réalisation de cette émission. Mustapha étape de la partie, il a assuré aussi le son. Nous vous demandons de bas les De rester en compagnie du programme du studio Kalangu. Auquel changer d'avoir de chez moi. Sur ce, stop. Wakanda forever. <laughs> Eh. انت سسماضا في التورنادو تخلاكات